du euh, matin je vous l'avais annoncé tantôt euh, la rubrique euh, bon à savoir nous allons ensemble découvrir ce que tu proposes aux internautes pour la rubrique bon à savoir aujourd'hui grâce. Merci Anne. Aujourd'hui, nous allons parler de, des inondations à Dakar. nous observons que la saison de pluie est une situation où les citoyens sénégalais vivent des moments difficiles car on observe de nombreux dégâts mhm. matériels. bon à savoir, aujourd'hui, nous allons comprendre quelles sont les causes de ces inondations. Mhm. Déjà, il faut savoir que depuis les années au Sénégal, le Sénégal est confronté à de nombreuses inondations mhm. euh, chaque fois qu'on est en période de saison de pluie qui commence euh, dès maintenant à fin septembre, nous avons reçu comme première cause la crise climatique. C'est ce que nous allons discuter aujourd'hui. Il y a mhm. plusieurs causes. Je m'aurais déjà mentionné qu'il y a plusieurs causes, mhm. mais à cause du temps, nous allons nous accentuer sur deux principaux causes. Donc, la crise climatique, et les activités humaines telles que l'utilisation des combustibles fossiles, c'est-à-dire euh, nous observons que la population sénégalaise mhm utilisent aujourd'hui beaucoup de fossiles, le charbon par exemple, mm. l'exploitation d'élevage intensif dans le, cas de la consommation. Mm. Le Sénégal fait partie des pays qui consomment plus les moutons et le poulet, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'abattages qui sont qui est fréquemment utilisés mm-hmm. utilisé par la population. Mm-hmm. Nous avons la production d'énergie la production d'énergie, euh, le pétrole qui est beaucoup exploité, qui est l'une même des richesses fondamentales euh, utilisées au Sénégal, mhm. l'utilisation des moyens de transport, les mhm. motos, les taxis, les transports de bus, les tchak-tchak, comme on, mhm. dit, on dit bien, la production des denrées, des denrées alimentaires aussi fait partie de, de cette crise climatique, l'alimentation des bâtiments en énergie et la surconsommation qui entraîne une augmentation des gaz qui se sont accumulés dans l'atmosphère et provoque un réchauffement climatique mhm. entraînant des inondations. Donc, euh, comme première cause, nous parlons de crise climatique parce que non seulement le Sénégal, mhm. et on peut même dire, dire dans tout le monde entier, mhm. l'utilisation des, des nouvelles technologies aujourd'hui entre, observant observe euh, euh, l'atmosphère qui est en de prendre un impact sur notre environnement. Mhm. Et aussi, en deuxième cause, nous avons perçu l'urbanisation rapide des problèmes d'infrastructure. Mhm. Ça, c'est la deuxième grande cause. Aujourd'hui, nous voyons l'augmentation de la population dans les villes, mhm. qui, ce qui est un grand problème majeur car de nombreuses constructions se font rapidement. Mhm. Le problème qui se pose, est-ce que réellement les sols, on étudie les sols avant de construire Déjà, je ne pense pas. Mhm. La concentration des, activités sont plus de 70% d'activités en ville. Mhm. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on observe beaucoup d'activités qui sont plus concentrées en ville. Donc, il y a une désorganisation urbaine, si on peut, on peut le dire. Nous avons aussi euh, constaté que les villes ne disposent pas d'infrastructures de drainage. Voici même le problème fondamental. Mm-hmm. Nous avons parcouru euh, les différentes villes de Castor, Wakam, Nyaritali, Medina face, ce sont des quartiers qui sont plus impactés quand il y a des inondations. Il y a plusieurs quartiers. Mhm. Dans les régions, il y a un manque et une absence totale d'infrastructures de drainage, ce qui développe encore des fortes inondations pendant les pluies, car le, ministère de l'Habitat n'a pas pris en compte euh, la construction de ces infrastructures. Mhm. Si, on avait euh, engendré des infrastructures de drainage, mhm. je ne pense pas qu'on devait observer ces inondations, aujourd'hui. C'est ça que je voulais partager aujourd'hui sur le bon à savoir. Merci. en tout cas, euh, très intéressant. grâce à Djiba, ñu amati grâce la fay <laughs> muy Caroline également en tout cas euh, merci beaucoup euh, pour euh, cette, cette, cette, très bonne contribution par rapport aux inondations qui constituent un réel problème au Sénégal de 1960 à nos jours. Il faut le dire, on a eu pas mal de soucis justement pour régler cette question des inondations qui jusqu'à présent est à l'ordre du jour. pour xamante ne ni la ko wax euh, parmi euh, les euh, facteurs yi nga xamante ne ni favoriser inondation àdduna ci li muy woowee la crise climatique mais urbanisation bi également bokk na ci li nga xamante ne ni indi na fii c'est-à-dire day tax problème bi di gën di perdurer dans la mesure où comme ni mu ko waxee expertise ba nga xamante ne ni moom war avant la construction des infrastructures généralement duñu ko ci def tout à fait euh, crise euh, enfin climatique beeg yooyu euh, nga xamante ni euh, bon avant may avancé sax xëy na euh, saluer le lancement de de de notre premier satellite. Mhm. IA nga xamante ni bokk na ci ay missions collecte données pour prévention ak yeneen yu ñu mel au-delà surveillance su territoire bi ak yeneen service yoo xamante ni tey mun nañu ko yombal. Mhm. loolu yëpp dana aju ci li nga xamante ni bu yu mel nii catastrophe naturelle war a am wala yeneen yu ñu mel ci climat ak une euh, prévision yi nga xamanteni euh, dañ koy anticiper diko jot euh, dina tax ñu pallier ci situation maintenant sur l'assainissement je pense que euh, assainissement Dakarou, mu ngi amélioré wu euh, parce que di nga gis euh, déjà pour pour hier toute la journée dafa taw mhm. mais da ngay gis né une heure de temps deux heures de temps après da nga gis yenn site yu bëri yi nga xamanteni peut-être ñu ngi biir Dakar da ngay gis né ndox mi dina évacuer wu te selon les constructions mhm. da ngay gis ne dañuy def genre pente ndox mi dina taw di bëri mais da ngay gis benn direction la jëm te fa muy jëm moy soit mu dem ci benn bassin wala ñu ñëw sotti ko ci exutoire mécanisme donc je pense que nous, des chaque euh, fois de besoin euh, curage de war des am canaux curer mhm. euh, peut-être ci mais comme à Dakar et à l'intérieur du pays gis nañ ci pour les curage canaux exutoire problème là. parce que boo demee ba euh, canal boo xamante ni nee nañ chaque année dañ koy curer nga mun faa jël euh, jën boo xamante ni euh, daanaka pour mu toll taay boobu war naa def at ak ñaari at ça veut ko que foofu suñ koo curer mhm. cest à loolu ay preuve la yoo xamante ni du lu nit lu muy toog di werante wala far fii wala farfee comme ñoom lépp dañ koy def ci wàllu politique mhm. wala di ma neex di wama naqadi mhm. mais jën poisson chat silure bu toll noonu ci ci ci ci ci xayma gàtt gàtt war na faa mën a def benn at lu alalu donc bu fekkee benn at la walul teg te ñu ne chaque année ñu ngi curé ça veut dire que kon xaalis boobu demul ci curage bi ci leen loolu tamit <laughs> responsabilité euh, ñi nga xamante ni ñooy ñoom la ñu jox ay ndombo tànk ci dëkk bi ci réew mi je veux dire ci la ñu bokk mm-hmm. waaye aussi entreprise yi war nañoo gën a mën a sérieux sérieux euh, parce que d'abord ay doomu Sénégal lañ mm-hmm. sérieux parce que loolu ñu leen di jël di leen koy jox en tant que doomu sénégalais ñu ñu ñu ñu ñu privilégié euh, xëy na main d'œuvre nationale bi c'est que am na ñoo xam ne ay ay étranger lañ ci dëkk bi mën koo def mu gën a baax seen sérieux gën a ñoŋ. Enan euh, Chine mi ngi fi day def ci mais Enan Chine dem ci ñenn ñi nga pour ne pas les citer. plus de sérieux pour def maintenant sur euh, l'étude peut-être que des sols dont elle parlait man euh, pour une construction sérieuse au mhm. Sénégal euh, da demande dem demander architecte AVM le euh, cabinet le bureau d'architecture ou urbanisme habitable fait que édifices publics mhm. l'étude du sol est fait au préalable mhm. parce que chaque acte posé a une équipe évaluer bu fekkee fondement la ñu toll bu fekkee équipe de sol la ñu toll prélèvement la ñu def def étude yi xam ne fii dafa argile fii dafa lii fii dafa laa ñu xam ban type de construction parce que fépp nag lañ mën a tabax mën nañ tabax ci biir ndox mën nañ tabax fa am ban mën nañ tabax ci feneen ak feneen ak feneen mhm. léegi nag fi ngay mën a tabax dafa am ay fii dafa am lu muy laaj fee am leneen lu muy laaj parce que type de sol yi bokkul mhm. te gëm naa ne tabax yi nag euh, yi ci ëpp solo ñu ngi def étude de sol yi li yeneen yi nag mooy comme genre sama genre yeeg genre Abdou Nguer nga xam ne ay dëbb-dëbbal lañ euh, mënuñoo fay architecte mënuñoo fay keneen mun nañoo gis benn plan neex ñu rek ñu expliquer ko benn maçon maçon bi samp ay potoom samp ay feeram coulé euh, te te te te jëluñu conseil yu euh, expert en la matière donc li ci ëpp ci région yi surtout ci biir région yi da nga gis ne dañuy tabax mais mais nag bras technique état mi ngi fi comme DESCOS comme yeneen ak yeneen yoo xamante ni. Mhm. Euh, bu ñu gisee ay tabax dana ñëw téye ko ba saytu ndax këyit yi war ndax li ci war yëpp mi ngi ci affaire ah, euh, mi ngi ci ñu dog la bàyyi nga nga nga continuer. ayca daañu ci euh, ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo ndax bokk na ci ponk yu ñu war a waxtaanee sax inondation yi am ci réew mi cause bi nekk taw yi nga xamante ne nii jot nañu ko enregistré ci démb la journée du lundi drainage des eaux également moom grâce à modèle mu dal di koy évoqué bokk ci loo xamantene ni réalité la bokk ci li nga xamantene ni euh, dafay favoriser inondation ñu koy euh, dund itam ci euh, réew mi grâce ñu mon mbégte ak contentement dalal ci plateau bi ce fut un plaisir je te remercie on se retrouve demain Inshallah pour une autre un autre numéro de la rubrique Bon à savoir c'est bon Merci. Allez, bonne journée. À très bientôt. À demain, Inch'Allah. Euh,